Absolument pas. Acted ne va, ne pas s'arrêter ni au Niger, ni ailleurs, suite à ce drame. Là, bien sûr, depuis que, depuis que ces assassinats euh, sont survenus, notre, euh, notre équipe, ici au Niger, mais aussi les équipes d'Acted un peu partout dans le monde, sont très choquées. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer euh, traversé. Ici, on a un peu moins de, 200 salariés euh, nationaux et internationaux, mais en grande majorité des Nigériens, bien sûr, qui, qui n'auraient jamais imaginé quelque chose d'aussi près de, aussi près de chez eux. Voilà. Et, on, a traversé cette, euh, une période de repli, en fait. Un temps de repli qui nous permet surtout de nous occuper des familles des victimes, qui aujourd'hui vivent l'inimaginable et, auprès desquels euh, nous sommes tous les jours depuis que cette, cette, tragédie euh, est, est arrivée. Mais on veut aussi s'occuper de nos équipes. On veut aussi s'occuper de, de nos équipes pour être prêts à repartir sur le terrain, dans la confiance. Moi, ce que j'ai, ce que j'ai constaté parmi, parmi notre équipe depuis, que, depuis le drame. C'est vraiment un, chagrin terrible, mais c'est aussi une grande force, une grande volonté de rester auprès des populations qui nous attendent et, et, les populations qui souffrent aussi, qui souffrent aussi tous les jours et qui, comptent sur l'intervention d'Acted dans certaines zones parfois ou, parfois si, si Acted ne vient pas, peut-être que peut-être qu'il n'y aura pas d'assistance pour les populations. Donc il y, a cette, euh, il cette force qui est encore là, et puis cette force maintenant qui, qui, a, hum, qui est peut-être encore plus forte finalement. Parce qu'on a payé le prix fort, on sait le sacrifice qu'ont fait sept de nos collègues euh, pour, euh, pour les Nigériens, pour ce pays. Et, hum, et on ne peut pas que ce sacrifice soit vain. Il faut qu'on reste aussi. Donc, on avait déjà cet engagement extrêmement fort auprès des Nigériens. Maintenant, on a en plus à honorer la mémoire de ceux qui sont tombés. Et notre engagement, qui était très fort, aujourd'hui, il est immense. Donc, nous allons retourner auprès des populations. On espère le plus vite possible, mais toujours avec la mémoire de ce qu'il s'est passé. Alors, pour Acted, mais je pense aussi pour euh, les, autres organisations humanitaires qu'on connaît bien, euh, il n'y a rien de rouge. Le Niger n'est pas rouge. Les pays du Sahel ne sont pas rouges. C'est trop. C'est une simplification et ça, ça colle ça colle pas non plus avec la réalité du quotidien des populations, même si en effet, dans certaines zones spécifiques, euh, du Niger, les populations sont victimes de, violences récurrentes et les humanitaires aussi. Mais pour nous, le Niger n'est pas rouge. Nous, on, est là pour continuer d'assister les Nigériens, même si on sait qu'il y a certaines zones où on travaille qui sont, qui sont particulièrement difficiles, où il faut prendre trois fois plus de précautions. Euh, et, on n'a pas l'intention de sortir de ces zones-là.